Salam, salam outsiders, débrief du week-end, le débrief commence maintenant. Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Dakar Actu TV. Aujourd'hui, nous recevons euh, l'outsider Stan Job, youtubeur, euh, facebooker, instagrammeur, mais surtout passionné de football. Alors, on va essayer de faire le débrief de tout cela, comme il le fait euh, si bien dans ses vidéos. connaître un peu d'où est parti ce projet, savoir également c'est quoi la famille des outsiders. Alors, bonsoir Stan et bienvenue chez vous au Sénégal. Ah ben, bonsoir Mustapha ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir d'être là. Comme j'ai l'habitude de dire salam, salam outsider, l'interview commence maintenant. Salam. <laughs> Voilà, c'est bien de le rappeler, Stan Diop est avant tout euh, sénégalais, un, fils du, du, Sénégal. Ouais, moi j'ai, c'est souvent bon, les gens ils voient Stan, ils se disent ah le boy là il vient d'où etc. Ils oublient, mais bon moi franchement euh, je suis né ici à, Dakar, franchement je suis né à Dakar, j'ai grandi à Dakar, j'ai joué ici là au terrain du euh, centre Sénégal Japon. Je me rappelle quand on était. C'est pas trop loin, hein Non, c'était juste à côté, là. CFPT, on allait négocier là-bas avec le, gardien pour qu'il nous laisse jouer et tout. Donc, franchement, voilà, moi, j'ai grandi ici. Le Sénégal, c'est mon pays. Et je suis toujours heureux quand je reviens à Dakar, quoi. Franchement, ça me fait toujours plaisir de revenir à Dakar pour plusieurs raisons. Parce que j'ai l'occasion de revoir la, famille. Et aussi parce que pour moi, on a une des meilleures gastronomies au monde. Ah, franchement. Ça, c'est sûr. Ah oui. Le elle ah est, ma oui. Ah, locale. mais mon frère. <laughs> Ça, c'est clair. Alors, moi, la question qui me brûle les lèvres, c'est quoi un outsider En fait, c'est quoi euh, D'où vient ce, terme, ce concept Comment tu l'appelles Ouais, c'est parti d'un délire en fait, outsider. Tu vois, moi, le truc, c'est que j'ai toujours été passionné de football. J'ai l'habitude de, dire que j'ai des parents très très durs et j'ai des parents qui m'ont pas donné beaucoup d'options, en quoi. Et s'ils avaient été comme moi, peut-être que j'allais essayer d'être joueur de, foot. Bon, je ne sais ah, pas. je sais pas si j'aurais été un mais, grand mais, Mais c'est une question que beaucoup se posent. Est-ce que ah, Stan a joué au, football un jour <laughs> Voilà. Non, moi le foot ça a toujours été ma passion, tu vois. Après bon, quand j'étais jeune, mon idole c'était Thierry Henry. Donc quand je jouais au foot, même quand j'étais jeune, je jouais comme Thierry Henry, débordement enroulé, tu vois. Après, on, va y revenir. Voilà. Après, plus j'ai vieilli, plus tu grandis, etc. Et plus je me suis dit, non, tu n'as plus la condition physique de déborder, de centrer et tout. Donc, je suis devenu genre milieu défensif, défenseur central. Donc, euh, j'ai quand même joué au foot. J'ai quand même joué au foot euh, au niveau collégial au euh, Canada. J'ai quand même joué là-bas au niveau collégial et tout. On a été champion du Québec en 2009. Euh, avec mon collège. Donc voilà, j'ai eu, quand même une petite expérience euh, footballistique et tout. Après, c'est sûr et certain que mon expérience en tant que telle, elle vient plus de tous les matchs que j'ai eu à voir durant mon enfance, tous les livres que j'ai eu à lire, etc. Ça a toujours été une passion. Est-ce que vous avez grandi dans, une famille de sportifs Absolument pas. Ah, franchement, absolument pas. Ma mère ne regarde pas de matchs. Ma mère, est-ce qu'elle regarde même les débriefs maman, gère-toi. Euh, mon père, lui, euh, ça a toujours été bon, quelqu'un qui aime le euh, football, mais pas au niveau auquel moi je l'aime. Et moi, franchement, c'est ça. Moi, franchement, celui qui m'a toujours motivé et tout, c'est mon grand-père. père son âme aujourd'hui. Et mon grand-père, a ah, il aimait le football. C'est incroyable. On, on s'asseyait, moi et lui, les samedis, dimanches, et on se tapait les matchs, match sur match, match sur match c'est de là que, sont partis les, premiers débriefings, on va dire. Ils ont commencé, je pense, je devais avoir des 13-14 ans, tu vois, quand tu commences à analyser un peu, on était là, il me fait non, Stan, c'est pas ça, je lui fais non, c'est ça, etc. etc. Et aujourd'hui, souvent, je me dis, j'aurais aimé qu'il soit là pour voir euh, voilà, le travail que j'ai eu à, accomplir. Mais bon, euh, je, suis sûr de là où il est, euh, il est en train de s'enjailler lui aussi, machallah, sur les débriefs. La première fois que tu t'es posé et que tu as eu l'idée d'aller dans ça, est-ce que est-ce que c'est ce que tu voulais faire exactement Comment comment ça s'est fait En fait, euh, ben, pour faire un peu mon cursus, moi je suis moi arrivé au Canada en 2008. Ça fait quand même très longtemps que je suis au Canada. Je suis arrivé au Canada en 2008. Euh, j'ai étudié à l'université d'Ottawa. Euh, j'ai fait un bac en finance et en économie. Donc en fait, ma base, c'est la finance et l'économie. Et, je, travaillais à la Banque royale du Canada comme conseiller euh, tout, conseiller financier. Ça, va, aussi, ça va prendre beaucoup le fait de... Ouais, il y a beaucoup de gens en fait, ils savent pas. Ton, dévoiler ton, cursus comme ça. Je te donne des insights là que ah j'ai jamais donné, ah Ah ouais. il y a beaucoup de gens qui savent pas. Donc vraiment, moi, je suis un mec de la finance. Euh, finance, économie, ça a toujours été un truc que j'ai beaucoup aimé. Je trouvais ça nice, c'était intéressant et tout. J'ai toujours aimé voilà l'aspect chiffres, argent, etc. Et un jour, euh, en 2015, c'est en 2015 en fait que ce délire-là est arrivé. Voilà, en 2015, j'ai eu un petit accident de voiture euh, qui m'a mis sur la touche pendant deux ans. Donc du coup, pendant deux ans, euh, pendant un an, j'arrivais pas à marcher. Pendant euh, l'année, la deuxième année, j'avais une canne, euh, j'allais, j'ai fait, j'allais au médecin, euh, voir le médecin tous les, chaque semaine, quoi. J'avais rendez-vous physio, etc. Et c'est durant cette période-là, en 2015, j'étais à la maison, je m'ennuyais un peu, je faisais pas grand-chose, j'étais malade, j'étais pas bien. Et là, j'ai un ami, il vient, il me fait, mais boy Stan, toi, tu parles football à chaque fois. Chaque fois, tu nous appelles, tu nous fatigues, etc. On parle tout le week-end. Pourquoi tu vas pas faire des vidéos Je lui ai dit, qui va m'écouter je ai dit, qui va m'écouter Tu n'avais jamais fait de vidéo en ce moment De ma vie. Moi-même, utiliser une caméra, je ne savais pas. En fait, en toute honnêteté, comme je dis, je, suis autodidacte en deux ans. Je J'avais jamais utilisé Final Cut Pro, j'avais jamais utilisé une caméra, la photographie, tout ça, je ne connaissais pas. Étant donné que j'étais à la maison, j'avais du temps. Je n'avais pas grand chose à faire parce que j'étais malade. Et euh, c'est de là est partie cette passion-là. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas et ça a commencé comme ça. Et au début, j'ai commencé avec euh, un groupe d'amis, deux, trois amis. On a commencé à faire des vidéos ensemble et tout. Mais bon, c'est toujours difficile, euh, c'est toujours difficile que les gens y croient en ton projet comme toi, tu crois en ton projet. Et donc, du coup, au début, c'était dur de rassembler tout le monde. Mon, but, c'est pour ça que ça s'appelle les outsiders. Ça s'appelle pas l'outsider. Ça s'appelle les outsiders parce que ma vision du début, c'était une vision vraiment où je voulais rassembler tout le monde. Et c'est après, un moment donné, quand j'ai... Le soutien de ta famille au début Ah non, ça a été compliqué. Ah, ça, ça, a été très compliqué. Parce qu'en fait, le, truc, c'est que en tant que bon Africain, bon Sénégalais, euh, mon gars, tu allais à l'université, on se s'est ah dit, qu'est-ce qu'il ah fait ah les et tout. <laughs> doivent servir à quelque Tu as un diplôme, c'est bien, tu travailles, etc. Pourquoi tu fais ça Et moi, je dis tout le temps aux gens, quand tu as quelque chose dans ton cœur, quand vraiment tu y crois, il n'y a personne qui peut t'arrêter. Et c'est ça le, le plus important. Et moi, j'y croyais dans ma tête. Je me suis dit, je pense que j'ai une expertise en, moi-même. Cette expertise-là, j'ai envie de la partager au monde. D'où vient le mot outsider Parce que je me suis dit à ce moment-là que les gens qui sont assis, les journalistes, les anciens coachs, les anciens footballeurs et tout, je me suis dit, tiens, ils sont à l'intérieur, c'est les insiders. C'est eux qui ont le droit de, de parole aujourd'hui. C'est eux qui monopolisent euh, l'opinion publique aujourd'hui. Alors qu'en réalité, ceux qui font vivre le football, c'est qui C'est nous. Si le stade de Ladjor de Thiès, on n'était pas allé, bah, le stade serait vide et la Fédé n'aurait pas récupéré 10 000 francs, 5 000 francs, 3 000 francs, etc. Si on ne paie pas les abonnements Canal+, Bein Sport ou toutes les, autres chaînes-là, eh ben, il n'y a pas de droit télé. Bref, l'outsider, c'est vraiment lui qui fait vivre le, mouvement footballistique. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, ben, tiens, il faudrait que tu lances un mouvement, un mouvement où tu vas rassembler tous les autres qui ne sont pas inclus. D'où vient le mot les outsiders. Et c'est parti comme ça d'un délire à Montréal, posé en plein été. Je me suis dit avec un, un pote, Lamine. D'ailleurs, c'est lui qui a designé le logo. Shout out à lui. Très beau logo en passant ah parce que tout le monde me le dit à chaque fois. les gens me disent ouais, on adore le logo et tout, etc. Ah, et, tout. Donc c'est vraiment, il a designé le logo. On a discuté. Il m'a fait mec, vas-y, lance-toi. Et il fait partie de ces gens-là qui m'ont beaucoup motivé au début, pendant que bon, les parents ils étaient encore réticents et tout. Mais aujourd'hui, j'ai le soutien à 100% euh, de toute ma famille et ça, c'est le plus important, quoi, tu vois. Alors, euh, pourquoi pourquoi le style rappé euh, si, si, je peux le dire ainsi, hein, parce que euh, ça, ça euh, interpelle plus de plus quoi. Le, style rappé, on peut déjanter. Voilà, parfois, les, applaudissements, les sifflements, on parle à l'africaine, quoi. Pourquoi, pourquoi ce, donc je pense que voilà, chez nous en Afrique, on a un truc qui est très commun à nous, c'est voilà, on, a beaucoup d'émotions, c'est normal, on a une manière de s'exprimer qui est peut-être différente par rapport au reste du, du monde. L'autre chose aussi, c'est que depuis que je suis très petit, je parle vite. Bon, je sais que je parle vite. Moi, ma mère, chaque fois qu'elle le, chaque fois qu'elle eh, je te dis, mes, parents, ma mère, mon père et tout, même ma soeur, ils me disent tout la même chose. Parle doucement. J'ai dit, je peux pas. Si je parle doucement, ça marche pas parce que dans ma tête, ça va trop vite. En fait, les idées, elles arrivent, elles arrivent parce que les gens ne savent pas, mais un débrief, je le prépare à 10%. Je m'assois, le week-end, je me réveille le matin, je me tape du samedi au dimanche soir, je regarde peut-être une dizaine de, matchs. Et je prends des petites notes. Genre d'habitude, c'est des petites notes, genre tel a fait ça, tel a fait ça, tel a fait ça. Après, je me dis, ok, je vais faire un parallèle par rapport à ça, ça, ça, ça. Après, le reste, c'est de l'improvisation. C'est-à-dire que jamais j'ai un texte écrit ou quoi que ce soit. Donc si tu as un texte, tu lis. Ça sort des tripes quoi. Voilà. Alors moi, ça sort comme ça, comme ça, comme ça. tu me lances sur un sujet. Maintenant là, peut-être que je vais te faire un débrief, tu vois. Et donc ça fait que bon, avec ma, manière de faire, j'avoue que j'ai une gestuelle qui, te donne envie. Tu te dis bon, peut-être que le gars il est dans un flow et tout. Beaucoup de gens m'ont dit les débriefs de Stan, si tu mets un instrumental, ça peut être un hit de rap. Ah ouais, ça, ça c'est <laughs> sûr. tu vois donc j'ai dit voilà, donc c'est vraiment parti comme ça. Quoi. C'est depuis que je suis petit, je parle vite, j'ai toujours été comme ça. Et j'ai un débit quand même qui est assez soutenu. Donc tu t'es dit finalement pourquoi pas ne pas adopter ce style Pourquoi pas ne pas continuer sur le même style, la manière de euh, faire et tout. Et Dieu merci, jusqu'à présent, je pense que ça me réussit bien. Quoi. Alors, euh, peut-être une question qui, euh, vient souvent, d'où Stan tire ses, profits Est-ce que, est -ce que ce, en, tout, cas ce travail, l'activité que vous faites est lucrative Est-ce que vous avez des, bailleurs, des bienfaiteurs derrière vous Comment vous faites Parce que vous vous déplacez, on voit que vous, vous faites des voyages, vous êtes un peu partout. Comment vous faites dites-nous un peu. J'avoue que je bouge beaucoup, ça c'est vrai. C'est vrai que durant, par exemple, je regarde durant les euh, sept derniers mois, je me rends compte que je ne suis pas resté plus de trois semaines au Canada quoi, dans les sept derniers mois. et ça demande des moyens et ça demande aussi de l'effort physique, tu vois, euh, et tout. Mais comme j'ai dit, euh, tout vient du début. J'ai gradué de l'Université d'Ottawa en 2013. J'ai été rapidement engagé par la banque. J'ai fait un concours c'est un concours de la Banque Royale du Canada. Ils m'ont pris directement et je faisais partie des premiers du concours, Dieu merci. Et euh, de là, ils m'ont amené à Toronto. Toronto, c'est le Wall Street du Canada. Donc du coup, quand tu es à Toronto, tu travailles dans la finance, c'est sûr et certain que tu fais des 8 à 8 et c'est certain que c'est fatigant. De la même manière qu'à Montréal aussi dans le monde de la finance, c'est très, très très épuisant. Donc ça m'a permis de pouvoir faire des économies. Pendant trois ans, j'ai travaillé dur, j'ai travaillé très très dur, ça m'a permis d'avoir assez d'économies. Et le jour où j'ai décidé de tout lâcher et de me lancer dans ce que je fais, je me suis dit, tiens, je vais tenter un projet, ça va être un projet sur trois ans. Tu as assez pour te débrouiller pendant trois ans. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer après. Aujourd'hui, en toute honnêteté entre toi et moi... C'était assez, risqué quand même de tout lâcher pour euh, se lancer entre guillemets dans l'inconnu. D'où la raison pour laquelle les gens au début, ils ont dit j'étais fou. Il y a beaucoup de gens qui ont dit mais il est fou lui, c'est quoi son problème, etc. Il a la chance d'être euh, à l'étranger, il a la chance d'avoir étudié dans une bonne université, etc. Donc les gens ont cru un peu que j'étais fou et tout, mais comme j'ai dit, la passion, la passion, la passion, c'est le plus important. C'est ça qui t'amène loin dans la vie. Il n'y a rien d'autre dans la vie qui peut t'amener plus que la passion. Donc du coup, euh, après trois ans de euh, boulot, j'ai quand même réussi à avoir quelques économies. Et jusqu'à présent, je roule un peu sur mes économies, tu vois. Après, tu as YouTube qui rentre un peu et tout. Mais bon, YouTube, le problème de YouTube, c'est ce que je dis toujours, c'est que c'est très instable. C'est pas un revenu qui est fixe. Ça dépend de, la monétisation. C'est ça. Ça dépend du nombre de vues. Ça dépend de là où les gens sont dans le monde pour regarder tes vidéos, etc. Donc même là aujourd'hui, en, tant qu'aujourd'hui, même je lance un appel. Aujourd'hui, Stan, les outsiders, ils cherchent du sponsoring. Tu vois, que ce soit une grosse compagnie de télécom de la place ou quiconque a euh, envie d'avoir de la visibilité dans un débrief, parce qu'aujourd'hui les débriefs, ils sont vus. Mhm. Ils sont vus à travers le monde francophone. Et je me dis euh, que c'est un travail qui est apprécié par les gens. Donc derrière, c'est sûr qu'il y a de la place pour avoir du sponsoring et tout. Donc je travaille là-dessus parce que bon. Comme l'instant, il n'y a rien. Comme une voiture qui a de l'essence, j'avais le, plein, mais là on approche de la fin. Franchement, je vois le clignotant rouge. Le clignotant rouge, il arrive et tout. Donc voilà. Mais euh, comme je dis, la passion, c'est ça qui me motive et c'est ça qui me permet d'aller loin. Tu vois, je me dis, je préfère, je préfère manger des spaghettis sans sauce, aller à Singapour faire quelque chose, que d'aller manger un steak et rester à la maison. Mhm. Donc c'est ça stand euh, Stan Job pèse quoi aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram ouais, ah, ça va vite. En termes de chiffres. Mais ça va vite, ça va vite, ça va vite. Je dis souvent, je me rappelle du premier jour, euh, on était octobre 2016, je pense. Il me semble, c'est octobre 2016, quand j'ai ouvert la page Les Outsiders. Tu sais, tu vas sur Facebook, tu crées ton email, tu mets un follower, moi. C'est tout. Après, tu les amis et tout, etc. Et tu espères. Mm. Et finalement, deux ans plus tard, je dis Dieu merci parce que sur Facebook, on est près de 57 000 outsiders quand même. C'est quand même très très cool. Dans les 57 000 outsiders, tu peux compter près de plus de euh, environ 20 000 Sénégalais qui me, euh, qui me suivent. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Après le reste, c'est un peu disséqué par environ 5 000 Camerounais, environ 5 000 Ivoiriens. Le Maghreb au complet, ils sont peut-être 6 000 et quelques. La majorité, c'est des Algériens. D'ailleurs, durant la, la Cannes, ils m'ont pas raté. Ah ouais, la Tahria Jazair, là, ils sont fatigants, fatigants, fatigants. Ah ouais, euh, eux, ils aiment le football comme jamais. Ils sont à fond, ils, sont, à et tout. Et ils m'ont beaucoup taquiné durant la, la Donc ça fait 57 000 sur Facebook, euh, sur Instagram 10 euh, 600 followers en date d'aujourd'hui, et sur YouTube 23 euh, 600 et quelques environ elle est quand même grande, la famille des, des c'est une famille qui va bientôt atteindre les 100 000. comme je dis, le football, c'est difficile. Parce que soit aujourd'hui, je vais me comparer à d'autres influenceurs sur les réseaux et tout, je veux dire, bon, euh, peut-être c'est un peu plus simple quand tu fais quelque chose qui est rassembleur. Le football, c'est quelque chose qui divise. Donc du coup, moi, si tu m'entends parler, je donne mon opinion. Si tu n'as pas apprécié, tu... D'ailleurs, tu te fais souvent attaquer par, par parfois des, des, followers, des fans qui sont un peu... Mais constamment, tu vois, moi je dis tout le temps, je dis, moi je suis un fan d'Arsenal. Franchement, je vis dans la douleur. Mais dès que je parle du Barça, hein, hein. Eh, je te dis, moi, bah, Arsenal, comme je dit, Thierry Henry, <laughs> il y a toujours une raison à quelque chose. Thierry Henry. Exactement. Cette génération-là, Henry, Pires, Lundberg, Vieira, Sol Campbell, Colo Touré, euh, euh Eboué, tout. Et c'était une génération, moi, qui m'a fait rêver. Franchement, moi, c'est une génération qui m'a fait adorer le euh, foot, tu vois. Donc, c'est sûr et certain que, bon, les gens, ils me taquinent souvent, ils m'attaquent, etc. et tout. Mais c'est toujours de, bonnes guerres. C'est ça, la, blague. Parfois, ça peut être quand même assez, assez blessant, vexant, peut-être. C'est sûr. Après, comme je dis, quand tu es. Il me semble avoir vu une de tes vidéos où tu faisais une ça m'était arrivé dans la du, genre. Exactement, durant la Coupe d'Afrique, il m'est arrivé euh, d'avoir un follower qui, je pense c'était un, follower qui n'avait peut-être pas trop compris le concept outsider et tout. Comme j'ai toujours dit, je dis moi, je donne mon opinion. C'est tout. Maintenant, si tu es d'accord, tant mieux. Si tu n'es pas d'accord, halas, c'est pas grave. Mais l'essentiel, c'est que j'ai donné mon opinion et j'essaie de le donner d'une manière objective et honnête. Tout ce que je dis, ça vient d'ici. Franchement, parce que j'ai pas, il n'y a personne qui me paye, j'ai pas de j'ai pas besoin de, me dire je vais pas fâcher tel ou ne pas fâcher tel moi je m'en fous je dis ce que j'ai à, dire et je pense que les gens qui me suivent depuis le début et depuis un bon bout de temps ils arrivent à comprendre cela en fait et à aller chercher cela parce que je me dis bon c'est rare aujourd'hui de trouver quelqu'un je pense qui est honnête dans le monde du foot tu vois parce que souvent les gens ils ont des euh, ils ont des intérêts soit tel c'est mon ami ou tel c'est l'agent c'est mon ami ou moi j'ai envie de faire ça ou j'ai pas envie on de on n'est jamais totalement neutre quoi. exactement alors que moi franchement je me dis, bon, il n'y a pas, euh, j'ai pas, j'ai pas d'amis dans le milieu, quoi. Donc je suis seul, je suis solitaire, je suis un freelancer, je fais mes affaires. Tu es et c'est tout. Exactement, c'est tout. Maintenant, les gars, gérez-vous. Je suis un fan d'Arsenal. Moi, j'en ai marre. je hein. Je suis pas un fan du Barça ou du Real. Chaque fois que je viens parler du Barça ou du Real, les gars pensent que je suis fan de l'autre ou fan de l'un ou fan de l'autre ou fan de l'un. Non, franchement, moi, c'est Arsenal, c'est mon équipe. Ça a toujours été mon équipe. Et bon, peut-être qu'un jour, on va gagner quelque chose. Hein. Peut-être un jour. Alors, vous avez parlé d'influenceur, euh, un, un terme qu'on entend assez régulièrement ces, temps-ci. Est-ce que Stan Job se considère comme un influenceur et comment voyez-vous ce terme Pour vous, c'est quoi un influenceur Influenceur, pour moi, je dis toujours, je dis, bon, écoutez, c'est déjà une charge lourde à euh, porter. Euh, mon, père me dit tout le temps, il me dit, Stan, est-ce que tu sais c'est quoi 1000 Il me dit, 1000, c'est beaucoup. Hein. Il me dit, quand tu as 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, tu arrives jusqu'à 90 000, tu me dis, ah, bon, en deux ans, tout seul, je me dis c'est important. Et pour moi, l'influenceur, c'est quelqu'un qui doit avoir un, un impact dans ce qu'il fait. Tu vois, moi, je pars d'un concept. Je ne suis pas venu comme ça me lever un bon matin, faire une vidéo et tout. Je ne suis pas là pour faire rire euh, les, gens. Oui, de temps en temps, je fais deux, trois blagues dans les débriefs, c'est normal et tout. Mais je ne suis pas dans ce délire-là. Moi, mon but, c'est qu'à chaque fois que tu écoutes un débrief, à la fin du débrief, que tu réfléchisses sur ce que j'ai dit, que ça te fasse cogiter en fait, que ça, te, que ça pousse ta réflexion beaucoup plus loin. Souvent, euh, et c'est là où je me dis, bon, je suis content mm, un peu d'avoir eu cette chance-là, d'avoir pu avoir euh, étudié, aller à l'université et tout. Parce que ben, quand je parle, j'essaie de parler à des intellectuels, ou du moins, j'essaie de pousser la personne à devenir un intellectuel, tu vois. Mais toujours dans le cadre sportif et dans le cadre footballistique. Ça peut m'arriver dans un débrief de citer un livre, ça peut m'arriver dans un débrief de citer quelqu'un, etc. Toujours pour que les personnes aillent apprendre quelque chose, tu vois. Moi-même, j'apprends tous les jours, tu vois. On n'a jamais fini d'apprendre, et ça, c'est le plus important. Mais c'est vraiment ça. Donc, pour moi, quand tu es influenceur, je pense que tu dois avoir vraiment un impact, quel que soit l'impact que tu sois dans la mode, que tu sois dans la comédie, que tu sois dans le, tout ce qui est make-up, maquillage, etc. de nos jours, nanana. L'essentiel, c'est que tu aies un impact par rapport à ce que tu fais. Et moi, je suis parti d'un concept en me disant, ben, écoute, la majorité des gens qui font vivre le football, c'est nous. On est des outsiders. Donc, du coup, aujourd'hui, si moi, je me considère comme étant le représentant de tous les outsiders, toutes ces personnes-là qui me suivent, toutes ces personnes qui sont fans de foot, ces personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir aller peut-être voyager, suivre, vivre des événements comme moi je le fais, ben, je le fais pour eux. Je ne le fais pas pour moi. Il le vit par procuration. D'où pour moi, je prends le, travail très au sérieux. J'aurais pu être, moi je vois plein de gens qui font des vidéos et tout, euh, qui parlent de foot, ils sont chez eux dans leur salon, dans leur chambre. Ils sortent jamais. Moi, je fais pas ça. Je me dis derrière, j'ai envie que les. Mais ils font des vues. Mais ils font des vues. Même des fois, ils font beaucoup plus de vues même que moi. Je dis, moi, je fais peut-être des 15, 20 000 vues par vidéo. Tu as des mecs qui vont faire 300 000 vues par vidéo. Ils sont jamais sortis de leur chambre, tu vois. Des fois, tu les écoutes même, tu te dis, ah, bon, qu'est-ce que j'apprends réellement que moi j'essaie d'apporter vraiment une touche culturelle, une touche footballistique, tout ce qui entoure euh, le foot. Le foot, c'est pas juste le, ballon. Le foot, c'est l'administration, le foot, c'est la finance, le foot, c'est la psychologie, le foot, c'est la société, le foot, c'est la culture. Bref, le foot, c'est un mélange, c'est un melting pot de, tout ça. Donc pour moi, en fait, un influenceur, c'est vraiment quelqu'un qui va essayer d'amener ses followers beaucoup plus loin. Moi, je pense, en tout cas, c'est ce que j'espère et c'est ce que je prie et j'espère que les gens pourront le dire peut-être dans les commentaires ou etc. et tout. Je me dis, ben, quand tu t'abonnes à la page Outsider, si tu écoutes une vidéo, deux vidéos, trois vidéos, peut-être qu'à la fin, tu vas te dire, tiens, j'apprends peut-être quelque chose à gauche et à droite. Et c'est souvent le cas. Et c'est ça le plus important, tu vois. Donc pour moi, un influenceur, euh, aujourd'hui, c'est vrai que c'est nouveau, ça n'existait pas avant moi-même essayer d'expliquer à mes parents, je vais être influenceur. Ils m'ont dit, tu vas influencer quoi, C'est quoi ton, que tu influencer C'est ton problème et tout et Même c'est un terme même en tant que tel que j'aime pas trop. Tu vois, je me dis ah c'est compliqué influenceur parce que c'est un terme qui est très très lourd, tu vois. Mais euh, le plus important, c'est toujours de te faire apprendre quelque chose, quoi. À la fin, c'est toujours ça. La prochaine étape, euh, c'est quoi La euh, ah, prochaine étape, la prochaine, bah, trouver un sponsoring. trouver un gros sponsoring. Franchement, comme j'ai dit, j'aimerais bien trouver un gros sponsoring, soit une grosse compagnie de télécom, n'importe quelle compagnie au Sénégal, tu vois, ou même dans le monde qui soit prêt à sponsoriser mes voyages et tout. Parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je voulais prouver au monde, c'est que seul, je peux le faire. Pour moi, c'est le plus important. Je me dis, euh, je ne suis pas venu euh, dès le début venir demander aux gens. Non, il fallait d'abord que je prouve mon concept. C'est la chose la plus importante. Comme dans toute chose que tu fais, comme dans tout projet que tu dois faire dans la vie, gestion de projet, première chose que tu dois faire, c'est prouver ton concept. Est-ce que ton concept, il est viable Est-ce que ton concept, il va marcher C'est ça que je voulais faire. Et je pense qu'en deux ans, j'ai prouvé mon concept créer un mouvement, les gens y suivent, les gens ils apprécient et je les remercie beaucoup et jamais je n'aurais, jamais je pourrais assez remercier mes followers. Il y a des gens qui me suivent depuis qu'on est 100 sur la page, jusqu'à présent. Et moi le truc, je dis souvent aux gens, je lis tous les commentaires. Tous les commentaires, je les lis. Tous les commentaires sur YouTube et sur Facebook. Je lis tout. Après chaque vidéo, je m'assois. Pour moi, c'est comme un livre. Chaque fois que je finis un débrief, d'abord, je regarde mon propre débrief, je revois le, débrief comme tout le monde, normal. Et puis des fois, je fais mon autocritique, je me dis, Stan, franchement, des trucs de ton car là, qu'est-ce que tu as dit comme ça Et après, je lis les, euh, commentaires. Le débrief du débriefing. un débrief du débrief un débrief des commentaires pour te dire à quel point, en fait, je, prends, ça, vraiment très, très au sérieux. Donc, je me dis, aujourd'hui, j'ai réussi à aller à Bakou, euh, à en Azerbaïdjan pour la finale de l'Europa League. Euh, j'ai réussi à aller à Madrid, j'ai pas eu de ticket pour le match, c'était compliqué et tout. D'où la raison aussi où je me dit à un moment donné, il faudrait que les gens, ils aident un peu, les gens comme moi, tu vois, nous aider à ce qu'on puisse avoir une passe presse, des passes médias et tout, pour nous faciliter la, tâche. Avoir un statut, en fait. Un statut. Il y a plein de jeunes qui me suivent et tout. C'est dommage. Je suis allé à la Coupe d'Afrique pendant un mois et j'ai pas pu aller à une conférence de presse. Et pourtant, Dieu sait que j'ai fait plus d'une trentaine de matchs. Je te jure, j'ai fait tous les matchs que tu puisses imaginer. En plus des matchs du Sénégal, j'ai fait les trois villes. J'ai fait Ismaïlia, j'ai fait Le Caire, j'ai fait Suez. La seule raison pourquoi j'ai pas fait Alexandrie, parce qu'à chaque fois, le Sénégal jouait. C'est tout. Donc c'est pour te dire à quel point en fait je me dis, tu sais, tu te dépenses, tu te dépenses, tu dépenses beaucoup d'énergie. Donc pour moi j'ai prouvé mon concept. Singapour aussi, ça a été euh, un, moment qui a été très très bien, très important parce qu'il n'y avait pas beaucoup de médias. D'ailleurs, beaucoup de médias, ils ont repris mes images, ils m'ont pas donné de crédit. Les gars, gérez-vous, faites un effort quand même, franchement, parce que c'est un travail qui n'est pas gratuit, c'est un travail qui est très très difficile. La rémunération, elle n'est pas forcément là pour le moment, mais c'est la passion, comme je dis toujours, c'est la passion qui te, qui, te drive, c'est elle qui t'amène le, le, plus loin possible. Donc ben, pour moi, euh, dans les prochains mois qui s'en viennent, bah, c'est continuer, continuer à voyager, continuer à faire voyager, continuer à faire découvrir aux gens des nouveaux endroits dans le monde. Euh, cet été, il y a l'Euro 2020, euh, j'espère bien y être. J'espère avoir une passe presse. On va essayer de voir avec l'UEFA. Bref, mais c'est pour dire quoi. toujours essayer. C'est ça. C'est ce genre d'événement là que j'ai envie d'aller couvrir pour les followers et toujours aussi leur faire visiter des pays qu'on n'a pas eu l'occasion de visiter. Je suis allé en Azerbaïdjan. Je connaissais pas j'ai fait un vlog voyage, les gens ils ont apprécié, beaucoup de gens ont pu découvrir Bakou et voir les, beautés de Bakou, etc. Le Caire c'était la même chose, Singapour c'était la même chose, donc j'essaie vraiment d'œuvrer et de travailler vers ça. Et peut-être un jour devenir notre propre média indépendant. Aujourd'hui j'ai trois administrateurs qui travaillent sur ma page, ils le font bénévolement en plus parce que je n'ai même pas les moyens de les payer et c'est pour ça que je les remercie beaucoup parce que pour moi c'est juste extraordinaire en fait. C'est ça qui montre la, la force du mouvement outsider, c'est des gens que je ne connais pas je les ai rencontrés sur la page. C'est des boys qui commentaient et qui étaient anormalement pertinents. Je les ai contactés privés. J'ai pris leur numéro de téléphone. Je les ai appelés. Je leur ai dit Est-ce que tu veux devenir administrateur C'est tout. Aujourd'hui, j'en ai trois qui gèrent l'affaire, qui sont très très sérieux, qui sont très très bien. Et Inch'Allah, si demain on arrive à arriver à un certain niveau, c'est sûr et certain que ben, ils seront les premiers qui feront partie de l'équipe Outsider Media. Donc j'essaie d'aller vers ça, un de ces quatre.

Salam salam salam, outsider malin leen di gërëm di len Sénégal franchement di len de gërëm di si soutien bi si euh, ni ngi si ni ma gars di di si message yi parce que gars bon manam du ma temps on répondre ñëpp mais xam leen ni que message bu nek suma ko recevoir et sincèrement day c'est euh, dal sama xol donc euh, voilà bon ngeen continuer di liker di partager comme je dis souvent à la fin des débriefs abonnez-vous partagez-vous faites-vous plaisir activez la cloche sur YouTube n'oubliez pas c'est un mouvement c'est les outsiders c'est pas mon mouvement à moi comme j'ai dit, sinon je l'aurais appelé l'outsider. Mais non, c'est les outsiders. On est nombreux, donc euh, voilà. Donc euh, continuez à liker, à partager, follow. Et Inch'Allah, ben, j'espère continuer en 2020 et vous donner encore un contenu beaucoup plus dope. On l'espère tous pour lui, on l'espère tout simplement pour la famille des outsiders. Nous recevions ici euh, Stan Job, youtubeur, comme je l'avais dit. Euh, Facebooker, Instagramer, tout ce que vous voulez, mais tout simplement passionné de sport, mais passionné de football. Euh, en tout cas, ce fut un plaisir de le recevoir ici, euh, Stan, qui était de passage dans les locaux de Dakar Actu. On espère que vous avez apprécié ces moments d'instant d'échange. on espère tout simplement que vous avez aussi pu découvrir un peu celui qui se cache derrière ces débriefings déjantés. Merci d'avoir suivi et rendez-vous pris pour d'autres ITV.